Nous remercions les parents d'élèves qui ont confiance en notre institution. Euh, nous remercions aussi les autorités, mais aussi nous ne cesserons de remercier Khadi et ses amis qui ont bien voulu euh, vraiment nous accompagner dans cette œuvre euh, qui est vraiment ce que j'ai l'habitude de dire. L'enseignement, est un enseignant Vraiment, il faut avoir du cœur. Mais vous aussi, vous avez du cœur parce que vous comprenez ce que les enseignants sont en train de faire dans les classes. Merci, merci, merci. Bon, maintenant, euh, sans tarder, nous allons passer à la remise euh, euh, des fournitures. On va d'abord commencer par le pré-scolaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on va donner à titre symbolique trois élèves seulement. Dans chaque classe, trois élèves. Ensuite, euh, on va aller dans les classes et là, on va procéder à la distribution euh, des fournitures. C'est parti. Je suis euh, le déclarant responsable de l'Académie. En même temps, je suis le directeur de l'Académie. Euh, euh, l'école a été créée depuis 2005. Donc, cette année-ci, nous notre sixième année d'existence. l'école compte trois cycles. Le cycle préscolaire, le cycle élémentaire et le cycle moins général. Voilà, grosso modo. par rapport à l'année précédente Bon, par rapport à l'année précédente, depuis la création de l'école jusqu'à présent, nous constatons que chaque année, l'école se développe en nombre, euh, en effectif. Donc, chaque année, nous construisons des salles de classe nouvelles, nous construisons des, des, des, pour mieux accueillir les élèves, mais aussi nous prenons des dispositions. Par exemple, cette année-ci, on a décidé d'ouvrir une salle informatique pour les pour, les élèves, en même temps recruter des enseignants. Mais la pédagogie aussi, vous savez, la pédagogie, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Euh, il faut toujours essayer d'améliorer. Et tout ce que nous pouvons faire, euh, avoir en ressources humaines pour mieux aider nos enseignants à se perfectionner euh, dans l'intérêt des élèves, nous, À propos des matériel scolaire Est-ce que vous en avez Bon, là, c'est un peu difficile parce que c'est une école privée. Tout ce que nous avons, nous n'avons pas de dotation provenant des collectivités locales ni de l'État. Tout ce que nous avons, c'est nous qui achetons ça. Donc, c'est nos propres moyens que nous prenons pour euh, acheter le matériel scolaire. Euh, nous faisons notre bien pour euh, vraiment aider les élèves à, travailler dans le présentation. Y a t des, dispositions concernant les conditions concernant les conditions d'inscription, cette année-ci, on a euh, augmenté euh, euh, les, frais d'inscription, mais ce n'est pas exagéré quand même. et le pourquoi nous avons fait ça, parce que nous avons décidé cette année-ci de doter les élèves de, de tenues scolaires. Au lieu de porter les, tenues traditionnelles, c'est-à-dire les blouses, cette année-ci, les élèves auront, euh, chaque élève euh, aura euh, euh, une chemise longue manche, une chemise courte un pantalon, ensemble blouson, sac à dos, vous voyez tout ça. Euh, Lacoste est jupe pour les filles et pilote pour les garçons, raison pour laquelle on a décidé d'augmenter un peu euh, les, les, les frais d'inscription. On a constaté au niveau de l'éducation nationale, on a constaté une régression mhm. de l'éducation à Dakar. Mhm, mhm. Quels sont les oui, nous avons fait le constat. Le niveau baisse tellement. Et je pense que c'est général. C'est général. Et là, le problème, c'est quoi C'est le problème de la formation Et nous constatons, hein, c'est général, même à l'université, parfois, euh, vous entendez un étudiant parler ou bien faire un exposé, mais euh, c'est c'est catastrophique. Hein. Même parfois, vous suivez nos autorités, parfois vous entendez quelques-uns de nos autorités ah, parler. <laughs> Les résultats des examens. Les résultats des examens cette année-ci, on a fait passer tout le monde. C'est une politique de l'État. Ils veulent euh, vraiment que au moins les enfants restent à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon, c'est une politique, mais quand même, je pense qu'il faut réfléchir. Oh, si on amène tous les élèves en classe de 6e, euh, alors qu'une bonne partie de ces élèves-là n'a pas le niveau, mais ça aussi, c'est difficile. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a un, tas de causes euh, qui fait qu'aujourd'hui, le niveau a tellement baissé. Mais quand même, il faut que les autorités y pensent. il faut faire passer tous les élèves, mais aussi il faut veiller à ce que le niveau soit, sur le soit tur bi naka la. maama kontaan. maama na nga def. ok ban élève classe ban classe ban classe nga def. C2 ngay def C2 ngay def waaw noo dundee vacances noo passé sa vacances yi. nee na lan nga def sa vacances lan nga ci def. Ensuite les élèves vont entrer dans les classes. ma ñëw dem école football par ci samedi dimanche wala mercredi ma ñëw ñuy dem école football après léegi ñu su may heure semuanya su ma semuanya ma toog suñu kër jàng sama leçon semuanya foofu jàng sa révisé su ma bu baax a baax waaw maa ngi doon révisé sama leçon yow yàkkamti woon nga école yi yow ko kon yow boo sañoon tey duñ duñ prolonger vacances yi yow. waaw yaakamtoon nga ñu ibi. merci. asalaamaaleykum. waaleykum salaam donc commune la. Absa Diop. Absa Absa Absa yaakamti woon nga école ah? loo xalaat ci école bi sa copine euh, yàgg yow boo nanti tey di leen leen ñu prolongé vacances bi wala. lu tax. waaw bëgg jàng. waaw ba vacances yi révisé woon nga say leçon bu baax a baax yaa ngi révisé nga doon def ci vacances ba ay ay kon nga bu scolaire. Merci beaucoup. Thank you. And I know